Mesdames et messieurs, bonjour. Nous avons programmé donc cette conférence de presse, le ministre des Transports et moi-même, à la suite du discours de M. le Président de la République, qui a annoncé plusieurs mesures, euh, entre autres donc euh, l'état d'urgence. C'est la raison principale pour laquelle je suis venu me soumettre certainement à vos questions et répondre aux différentes préoccupations des Sénégalais. Euh, comme vous le savez, la situation oblige. Nous avons retenu de faire un format différent où les questions seront posées au préalable ou en direct pendant qu'on est à l'antenne via euh, donc les réseaux sociaux, notamment euh, WhatsApp ou Facebook ou directement par euh, message, Questions que nos chargés de communication nous répercuteront. Je pense que ce format répond un peu à la préoccupation qui nous empêche de nous regrouper. Euh, sinon, je pense que ça va être très difficile de le faire dans les conditions que vous savez. Donc voilà ce que je voulais dire en guise d'introduction. J'ai reçu quelques questions. Euh, je vais, je m'en vais peut-être euh, y répondre. J'ai reçu une question de Samba Ardoba, journaliste à Dakar Actu, qui dit euh, l'état d'urgence, on peut le définir comme un champ de restriction de liberté publique. Alors, quelles sont les mesures prises pour les entreprises et leur permettre d'échapper d'adapter l'organisation du travail. Bon, ça, je suppose que c'est une question qu'il posera aux entreprises. Je ne pourrais malheureusement pas y répondre, mais je pense qu'aujourd'hui, compte tenu des restrictions de liberté, les entreprises vont s'adapter pour, autant que faire se peut, rester dans les plages horaires où il est permis de circuler. Que risquent les Sénégalais qui défieront cet état d'urgence L'état d'urgence est réglementé depuis longtemps nous avons, comme vous le verrez certainement, vous l'avez vu certainement dans le décret, la loi 69-29 du 29 avril 69 et 69-30 du 29 avril 69, donc qui sont des lois relatives à l'état d'urgence et à l'état de siège. Donc, en l'article 21 de cette loi, les infractions aux dispositions de la présente loi sont punies d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 20 000 à 500 000 francs ou de l'une des deux peines. Donc je pense que, ou de l'une des deux peines seulement. Donc voilà aujourd'hui ce que les gens, en tout cas le risque qui est encouru par les, ceux qui vont défier bien qu'ils seront en infraction. Le transport interrégional sera interdit. Quel mode de campagne mettre en place pour demander à chacun de rester là où Je pense que déjà pour le transport, certainement le ministre du Transport reviendra sur certaines dispositions, mais ce que je peux confirmer, et ça c'est peut-être euh, une disposition qui est déjà prise et qui sera appliquée dès ce soir, le transport interurbain ne sera plus autorisé dès, l'entrée en vigueur donc, de, de cet état d'urgence. Ça c'est d'abord la première chose. Et la deuxième chose, comme on le sait, la circulation euh, sera interdite euh, dans toutes les circonscriptions de 20h jusqu'à 6h du matin. Donc là, je pense que c'était ça les questions posées par euh, euh Samba Arroba. J'ai également une autre question, donc d'un certain Khalifa Ndiaye de nouvelactu.com. Combien de gendarmes et de policiers sont chargés de contrôle dans le cadre de l'état d'urgence C'est la seule réponse que je peux donner. Nous aurons les les, gendarmes, nous aurons les policiers, nous aurons également les militaires, donc euh, qui sont en train de s'organiser pour pouvoir occuper en tout cas tout le territoire et nous aider à faire respecter les mesures de restriction. Euh, le ministre du, Transport, certainement, viendra sur la deuxième question. Quelles sont les dispositions qu'il a prises pour préserver notre marché intérieur avec l'introduction du transport interrégional C'est certainement quelqu'un qui s'intéresse au transport qui a dû poser cette question. Euh, nous avons également Gallo de qui me pose la question est-ce que la prière du vendredi sera autorisée dans les autres régions ce vendredi Et la deuxième, est-ce que les entreprises privées auront droit à des justificatifs de Je voudrais quand même préciser que nous avons interdit les rassemblements. C'était une démarche didactique. D'abord, c'est important de le dire, ce n'est pas la prière, on ne peut pas interdire la prière nous avons voulu éviter, c'est comme aujourd'hui, on vous demande de vous adapter par rapport à la situation actuelle, parce que vous avez l'habitude de vous regrouper par un très grand nombre. Nous avions, dans la démarche, sollicité tous les marabouts, notamment les, les khalifs des différentes familles, par rapport aux différents événements qui avaient lieu ce mois, qui ont lieu ce mois de mars. Et je pense qu'il nous reste l'appel qui était prévu pour demain. Et nous, nous avons sollicité qu'ils acceptent euh, pour cette période d'éviter les regroupements. Et ceci est également valable dans les lieux de culte, mais nous n'avons pas dit interdiction de prière. Euh, ce qui s'est passé le vendredi passé, et c'est important de le souligner, euh, le gouverneur de Dakar avait pris un arrêté pour Dakar, compte tenu de ce que nous savions de la dispersion de la maladie à Dakar. Mais dans les autres euh, circonscriptions, on n'avait pas jugé utile, les gouverneur n'avaient pas jugé utile de prendre des arrêtés. Mais euh, par une approche didactique, nous avons cherché à discuter avec tous les, tous les marabouts, euh, les associations d'imams. Et je dois dire que vendredi, quand même, nous avons eu vraiment une bonne satisfaction quand on regarde à l'échelle nationale euh, le nombre de mosquées qui ont évité les rassemblements. Je ne dirais pas qu'ils n'ont pas prié. Euh, sur 4500 mosquées au niveau national, nous avons eu pratiquement 500 euh, et quelques mosquées où les prières ont été effectuées et des fois il n'y avait même pas euh, beaucoup de monde. Donc ça veut dire que nous avions un taux de 89% le vendredi passé et nous allons avoir cette même démarche. D'ici vendredi, je pense que nous aurons peut-être 100% euh, parce que les marabouts également comprennent que pour les protéger eux-mêmes et pour protéger leurs talibés, ils ont besoin d'éviter au maximum ces rassemblements dans ces différents lieux. Euh, les entreprises privées certainement prendront les dispositions pour, comme j'ai dit, demander des dérogations parce qu'on le prévoit dans les arrêtés portant interdiction de. L'autre question, c'est au ministre des Transports. Certainement, lui-même, il va euh, revenir dessus. On me pose la question de savoir quels sont les corps de, services qui sont susceptibles d'obtenir des dérogations pour aller travailler durant le couvre-feu. Bon, comme vous le savez déjà, euh, tout le monde n'est pas euh, systématiquement interdit de bouger. Il y a certainement des dérogations. Nous avons déjà dans l'arrêté euh, qui porte interdiction temporaire de circuler des personnes ou des corps qui sont exclus. Déjà, les présidents d'institutions de la République n'y sont pas. Les ministres et les secrétaires d'État, les députés, les ambassadeurs, les gouverneurs, les préfets ainsi que leurs adjoints, les magistrats et les greffiers, les personnels des forces de défense et de sécurité, les personnels de santé. Donc tous ces gens ne sont pas déjà prévus dans cet article d'introduction. Par contre, pour les autres, euh, le ministre de l'Intérieur, le gouverneur de région ou le préfet, ces trois ces autorités peuvent délivrer des autorisations spéciales de circuler en cas de nécessité. Donc ça peut certainement concerner euh, beaucoup d'entre vous, d'autant plus que c'est des questions des fois par corporation qui nous sont revenues. Donc voilà en tout cas pour l'instant les questions que j'avais sur, cela. Donc, euh, je pourrais peut-être essayer de traduire ça en wolof. D'abord, ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp euh, di leen sant ci wuy bi ngeen ñu wuy président de la république un discours à la nation sénégalaise. Nous dégg ko mesure yu am solo yoo xam jël euh, mesure bi tax ma d'urgence ndax état d'urgence euh, dafay loo xam ne lii bu ñu ko jëlee euh, liberté yi ñu doon am pour di dem ak dikk dootuñu ko am te loolu nag naam du tey la fi mas am waaye peut-être ñu bari jotuñu woon ko dund comme ni ñu ko war a dundee tey baax na tax ñu leeral ko euh, te expliquer ko nit ñi donc tey bu huit heures jot ci ngoon fan yii di ñëw huit ba six heures dañuy tere nit ñi di dem di génn donc kenn ku ci nekk da lay wax nga toog sa kër loolu li ko waral jàpp naa ne ministre de la santé expliqué na ko bu du benn du ñaar feebar bi li koy joxe ñi koy vecteur yi koy yóbbu mooy nit ñiy dem ak a dikk loolu mooy premier disposition bi ñu jël

moy jógee ci garage yi diganté diggante diggante dëkk ak dëkk transport yoyu téré nañ ko. c'est valable pour transport en commun c'est également valable pour ñu yoré sen auto bop là aussi bëgg naa mu ñëpp xam ko donc tay jógee ci dëkk ak dëkk à partir d'aujourd'hui danañ ko téré ba ci kanam pour que ñëpp ñu mëna tok ñu éviter déplacement yi pour ñu mëna ensemble xeex virus bi nga xamné bi mi ngi bëgg mi ngi bëgg a sonal naturellement euh lu mel nonu boko ko def ne ñi peut-être euh, du ñàkk ñu mën ci am euh, disposition bu leen mën a jëlal pour ñu mën a liggéey mais en attendant may ñëw ci loolu am na question yu ma journaliste yi posé bu ngeen seetloo daawu ñu faral di defee nii conférence de presse li ko waral mooy ndaje mi ñuy bañ muy am moom la ñuy bañal également Euh, ci lu mel nii ñëpp ñëw daje fi 50 journalistes avec seen i euh, matériel seen i reporter ñi leen di jàppale kenn ku nekk di bëgg poser question wala di buuxante moo tax ñu jël format bi biñ koy jëlit waxoon nañ leen ne laata ñuy ñëw kenn ku nekk bëgg nga poser question jox ko numéro bu mu koy poser ñun ñëpp euh, su ma chargé de communication dajale question yi boo ñëwee mu wax ma ko comme ça ñu tontu ci am nañ yaakaar ne ñim ci sélectionné du ñàkk mënut a jël yëpp ñim ci sélectionné peut-être bu ñu ko dégloo dana mën a leeral parce que leeral dong moo tax ñëw benn bi am na ko ko ci posé euh, question mooy Samba Ardo Ba journaliste Dakaractu euh, wax na ci yan mesure la entreprise yi jël euh, loolu bu ñu yegsee ci dérogation yi peut-être entreprise yi mën nañ xool ndax danañ am éligibilité waaye li leen di ñaan mooy autant que faire se peut maanaam tant que mënu na nañ jéem a adapté seen liggéey ci contrainte yooyu maanaam fexe ba ñi leen di liggéeyal duñ génn 6 heures ba 20 heures sénégalais yi ban risque la ñuy am pour ku respecté wul lii Euh, état d'urgence dafa am loi bo xam bi mi ngi ci réew mi depuis 1969 loi bi changé wul disposition loi bi la ñuy respecter. ku respecté wul état d'urgence amuloo ben dérogation bu justifié nga wara a génn mën nañ laa tëj diggante ñaari wër ba ñaari at man na la amane diggante ñent junni ba téeméeri junni waye ben ci amane di rek la mën a jël duñ la ci booleel ñaari donc lool moy li nga xam li mom la loi bi def ci article 21 transport bi nga xam bi da fay nek digënté dëkk ak dëkk moom sax interrégional la wax mais man dana gëna préciser sax du yegg sax région bi maanaam diggante euh, communauté urbaine ak benen dañ koy dakal donc fim mu ni nii te du uniquement transport en commun le concerné même borom auto yi bo amul ben justificatif ben dérogation bu la jox permettre la nga jógee ci dëkk bi dem ci benen dëkk et ceci à partir d'aujourd'hui à vingt heures donc loolu yaakaar naa ne leer na am na ku ma posé question Gallo de euh, benn question d' abord Khalifa Ndiaye wax euh, euh, mais yaakaar naa ne benn question bi ci man la bi ci des ci ministre des transports ñaata gendarme ak alkaati li ma ko mën a wax rek mooy pour ñu respecter état d' urgence bi gendarme yi ñoo liggéey ak police yi ak militaire. donc def nañ réunion léegi ak ñoom ba kenn ku nekk mi ngi jël ses dispositions pour que à partir de tey ñu gis leen sur le terrain pour que ñëpp mën a respecter disposition boobu. Euh, beneen bi question bi Gallo Daouda Sall moo ko posé wax na ci jullig aljuma gi ndax dana am ci yeneen région yi euh, bon foofu aussi li ma ciy wax rek mooy bi ñu tàmbali médecins yi taxaw wax ne nañ moytu ndaje yi te kenn ku ne xam na ne julli aussi ay ndaje la. Euh, defuñ ko pour jéem tere julli wala pour leneen nañ moytu ne ak fu doon sport plage sport ci donc muy disposition yu jël waaye religion dafa sensible dañoo jàppoon ci suñu démarche ne duñ ci def lenn lu ñu waxtaanut ak yi man ci sama fu ma dem ñu wax ne mois de mars bi événement yu am solo événement religieux parce que ci ci la euh, num mu tëddee poroxaan amoon ci la euh, daaka bi am euh, ci la kazu rajab am également ci la appel de Layène am muy événement yu am solo tasaaroo ci dëkk bi kenn ku ne xam ne taalibe yi dañuy jógee fu ne ñu waxtaan ak ñoom ba ñoom ñëpp ñu nangul ñu ko ne malgré que defoon nañ ko seen agenda ñoom comprendre nañ donc donc démarche boobu lañ jël également pour prière yi waxul ne dañuy tëj jumaa yi yëpp ci Sénégal dañ leen a invité ne leen. lii buñ ko defee lii mooy conséquence parce que bu ngeen seetloo feebar bi ni muy yokkoo dee am mën na jóge ci benn ndaje rek daal di tasaaroo ni muy yokkoo ci àdduna bi dafa xaw a doy waar dafa yéeme. kon démarche boobu lañ jëloon aljuma bi passé bi ñu jëlee waxtaan ak imaam yi waxtaan ak euh, euh, yenn kilifa yi diine yi wax dëgg yàlla euh, ñun jàpp na ne aljuma bi réussite la parce que pour la première fois nga jël une opération ba xam ne bi soxlawul sax nit ñu di déplacer juste par téléphone sur ñeenti junni ak juróomi téeméer. yi juma ñeenti junni yi ak lu topp julliwuñu woon bés ba donc daanaka buñ jëlee euh, téeméer bu nekk ci juma juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent respecté nañ disposition bi démarche boobu la ñuy utiliser waat fii aljuma te am nañ yaakaar ne ñëpp dinañ ci adhéré parce que ñëpp gis nañu njëriñ bi parce que de plus en plus chaque jour bu ministre de la santé génnee wax ne nangam yokk na nit ñi di jël conscience que ne affaire bi soriwu leen te loolu am na solo bu njëkk biñ région la ñett léegi yaakaar naa ne ñu ngi ci juróom-benn région donc loolu am na solo nit ñi comprendre ko yaakaar naa ne dañu comprendre donc aljuma biir ñëw aussi am nañu yaakaar ne nit ñi danañ mën a comprendre pour que euh, ñun ñëpp ñu mën a aar ñun liñ ci dugal du dara lu mooy aar sénégalais yi te gëm naa yaakaar ne kilifa yi diine yi wala peut-être imaam yi nga xam ne ñoo jiite nit ñi amuñ ci benn objectif ñoom it lu mooy aar ñi nga xam ne ñooy seen taalibe wala ñoo ànd ak ñoom euh, ci wàllu dérogation am ñu laaj service de am dérogation mo wax ne arrêté bi nga xamné bi man jël jël ko ba sax d'ailleurs bi président signé décret état d'urgence dañu né ci biir réew mi ci gox bu bu de 20h à 6h, maytu nit ñi ñuy circuler ci gox bu Oui, waaye ñu teg ci

les députés ambassadeurs gouverneurs préfets sous-préfets adjoints magistrats et greffiers personnel de santé euh, personnel de défense et de sécurité personnel de santé donc nous, nous, arrêté nous, beaucoup de arrêté aussi permettre nous ministre de l'intérieur gouverneur wala préfet bu nous, pour pour urgence euh, ñu permettre la souplesse boobu ñoom ñu mën la may këyit nga mën a bouger ci soit ci biir dëkk bi wala nga génn sa dëkk dem dem beneen dëkk donc loolu moo doon euh, solo si ndaje bi man ma war ci intervenir xanaa ma bàyyi suma suma naataangoo le ministre des transports mu ñëw euh, compléter par rapport ak question yi ñu ko posé jërë ngeen jëf. Bonjour. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, le président de la République, son Excellence Macky Sall, vient de prendre des mesures fortes visant à renforcer le dispositif de prévention et de lutte contre l'épidémie coronavirus. Ces décisions de protection des citoyens sénégalais appellent à la responsabilité de chacun dans une logique de solidarité et de cohésion nationale. Elle exige également et surtout une application diligente et concertée dans tous les secteurs. C'est pourquoi j'ai déjà pris une série de mesures aptes à contribuer efficacement à la lutte contre la propagation du Covid-19 dans le secteur des transports publics. Ces mesures aujourd'hui vont être renforcées pour préserver la santé des chauffeurs, des conducteurs, du personnel des transports publics et des usagers. Je ne reviendrai pas sur les interdictions prises par le ministre de l'Intérieur par rapport au transport interurbain, mesure tout à fait justifiée au vu de l'évolution de la maladie. Je voudrais juste vous entretenir des mesures de régulation des infrastructures et des services de transport, publics et privés. Pour le transport de voyageurs, l'embarquement des passagers dans les bus, minibus et autocars, effectuant un transport public ou privé, se fera dans le respect des places assises qui seront distribuées pour tenir compte des distances d'au moins un mètre entre les passagers. Ainsi, le nombre de passagers à bord de ces catégories de véhicules à usage public ou privé sera limité à la moitié des nombre de places prévues par la carte grise du véhicule. Tous les passagers d'un véhicule de transport seront munis d'équipements appropriés de protection, gants, masques, produits hydroalcooliques, mouchoirs jetables. Les passagers ainsi que le conducteur doivent systématiquement porter des masques et des gants durant tout le trajet. Les gares routières interurbaines, en conséquence de la mesure prise d'interdiction du transport interurbain, seront fermées. Toute fréquentation de ces gares routières non directement liées aux activités de transport sera interdite. Les activités commerciales dans les dites gares sont suspendues le nombre de passagers à bord des taxis urbains et véhicules particuliers est limité à trois places au lieu de cinq comme habituellement sur la carte grise. Les trois places comprennent bien sûr la place du conducteur. Le nombre de passagers des véhicules de roues est limité à une place. Les opérateurs de transport procéderont obligatoirement au nettoyage désinfectant de chaque véhicule de transport public au moins une fois par jour et mettront à disposition de leur personnel les équipements dédiés. En ce qui concerne le transport de marchandises, il est retenu, conformément aux instructions de M. le Président de la République, que ce transport utile à la vie économique se poursuivra avec les mesures ci-après. Le nombre de passagers à bord des véhicules de transport de marchandises est limité à deux personnes, y compris celui y compris le conducteur. Ils devront être équipés de masques et de gants durant tout le trajet. Les commerces, regroupements à l'intérieur et aux abords des gares de gros porteurs sont interdits. L'accès des personnes dont les activités ne sont pas directement liées au fonctionnement et à l'exploitation des gares est également interdit. En ce qui concerne l'exploitation des autoroutes, les exploitants sont chargés d'améliorer les conditions d'hygiène sanitaire pour le personnel et les usagers, de réduire leurs effectifs de péage, d'assistants en voie automatique, que les facilitateurs de trafic. Les cartes, transactions manuelles devront être traitées avec le maximum de précautions. Le personnel également de ces autoroutes devront être protégés par le port systématique du masque et des gants qui est obligatoire pour tout ce personnel. Ces exploitants doivent adopter leurs effectifs de viabilité en fonction de l'amplitude des tâches liées à l'exploitation des autoroutes. J'engage ces exploitants et les opérateurs de services de transport routier à appliquer rigoureusement les règles de distanciation sociale ainsi que les mesures d'hygiène et de sécurité arrêtées, préconisées par le ministère de la Santé. Comme vous pouvez le constater, ces mesures auront un impact significatif sur l'offre de transport public déjà déficitaire à Dakar. C'est pourquoi il est hautement recommandé aux entreprises publiques et privées, les sociétés utilisatrices de grandes main-d'œuvre, les industries agroalimentaires, les BTP, de moduler les effectifs en cohérence avec ces mesures d'ajustement de l'offre de transport qui se voit ainsi modulée. J'invite aussi les opérateurs de transport au respect de la tarification. En aucun cas, les mesures restrictives sur l'offre de transport ne doivent conduire à une augmentation des tarifs. C'est pourquoi j'ai mis en place depuis hier un comité de veille et de suivi des impacts du coronavirus dans le secteur des transports terrestres. Ce comité composé de différents acteurs, notamment les opérateurs de transport, les syndicats, la police, la gendarmerie, l'administration territoriale, les associations d'usagers, est chargé, entre autres, d'évaluer les impacts économiques qu'entraîneront la mise en œuvre de ces mesures et d'apporter des actions de mitigation en relation avec les ministres des Finances et de l'économie. Avant de conclure, je voudrais inviter les forces de sécurité les autorités judiciaires à faire respecter les dispositions de l'article 35 de la loi 2003-04 du 27 mai 2003 portant organisation des transports terrestres qui interdit, je le cite, l'exercice illégal de la profession de transporteur, notamment l'exercice qui se fait sans autorisation, mais aussi qui interdit les gares non officielles, c'est-à-dire les gares routières flottantes. Je compte sur l'engagement individuel et collectif de tous pour l'application rigoureuse des décisions adoptées afin de briser ensemble la prorogation du coronavirus Covid-19. Je vous remercie. mu avons président de la république mesures situation actuelle coronavirus ministre des transports war Djel, jël ay ci transport pour dépeler léegi exploitation bi nga xam ne ñu koy def ci transport ak li nga xam situation actuelle bi moo tax ñu ngi saluer bu baax mesures yooyu nga xam président jël na ko di rafetlu aussi mesure yi nous xam ministre de l'intérieur jël na pour arrêter li wax transport interurbain de voyageurs loolu nak liñ ko mëna félo ci mesure yooyu moo ñu jël exploitation bi nga xam ne moom la ñuy def ci euh, euh, oto yi moo tax ñu ne léegi oto yi xam nañu dafa am ay carte yu ñuy affecté ay place ci oto yi moo xam oto transport privé la yaa xam oto transport public la oto bu nekk ci sa carte wax nañ la ne nangami place ngay yeb place yooyu dañu koy wàññi à moitié maanaam bu dee oto boo xam ne ngay def cinq place léegi 12 place ngay def wala lu lu lu wàcc ci wàcc bi

mais transport privé la ñuy def nekk oto cinq places ñooñu aussi mesure boobu dañ leen koy appliquer maanaam mënatoo yeb ci sa biir oto lu ëpp ñetti nit ak chauffeur bi loolu aussi baax na ñu préciser ko oto yi dépôt ak oto yi def transport public aussi te nekk oto transport privé même mesure yi lañ leen di lañ leen di appliquer ñu wax ne aussi pour protéger citoyens yi ak usagers yi ak transporteurs yi képp ku dugg ci oto buy def transport public wala transport privé ñaan nañu la pour nga def masque parce que loolu moo lay aar mooy aar ki nekk ci biir oto bi mooy aar aussi euh, askan bi beneen mesure boo xam ne am na solo mooy euh, ci transport de marchandise bàyyi nañu xam nga transport de marchandise day wëy parce que président de la république wax na ko ci message am bëggul ñu arrêté économie bi comme nit ñaa ngi dem di liggéey comme bi mu ngi dox normalement euh, transport de marchandises da fay continuer waaye terewul dafa am nak ay charte yu bees yuñ ci yok moy gisoon nañ ne camion transport de marchandises, leg leg dañuy am ñaar ba ñett ba ñent ba nit cabine bi. aussi pour tenir compte restriction yi nga ministère de la santé jox cabine bi chauffeur bi ak ku koy ba protection la chauffeur yi ak euh, ki koy assister dañ ko wara dañ ko wara jël matal ko sëkk ci gaar yi aussi gis ngeen ne gaar yi lieu de de regroupement la manam commerce administration lu nekk fay nak ci bir gaar yi donc lolu tay euh, nee nañu dañ koy dakal pour éviter justement regroupement yi donc gaar yi dañuy interdire regroupement yi fa nek ak njaay mi nga xam ne wala en tout cas c'est pas lié au fonctionnement des gares ci autoroutes yi wax nañu aussi ñi nga xam ñom ñoy doxal autoroutes yi ñu gën a góorgóorlu ci cet gi ak cetal gi gën a protéger seen personnel di leen jox ay masques ak ay gants mais gis nañ ne aussi ci autoroute bi léeg-léeg dafay am transaction manuelle yu bare bare bari ci carte yi ñuy jokkalante mais aussi ci monnaie bi ñuy jokkalante donc loolu aussi wax nañ leen ñu jël ci ay matuwaay ba nga xam ni ñu koy def dañuy sol ay gants def ay masques ba transaction yi nga xam ne mooy nekk ci autoroute bi du indi ay tolof tolof loo xam ne dina gaañ doomu aadama ci jamono yi ñu toll. may wax na la gis ngeen mesures yooyu yëpp ñu jël def ko ci benn arrêté tënk ko dina nekk lu méttee métti particulièrement fii ci dakaar nga xam ne Dakar euh, transport bi dafa xaw sooxe maanaam offre de transport dëppoowul ak demande de transport bi nga xam ne moom mooy une demande très forte ba ngeen gis sax phénomène yi ci am yëpp développement taxi clandestin yi di am ay gare routière flottante di am léeg-léeg sax surcharge wala surnombre pour être plus précis di am donc loolu wax nañ leen ne euh, danañu ko xeex danañu ko dakkal woote naa ci police ak gendarmerie ak képp koo xam ne yoon may na la kàttan ci loolu nga war ko xeex ba nga xam ne tey conditions yi nekk ay war gaynde ay allo Dakar ay euh, horaire yooyu yëpp dañ koy arrêté gaar yi tamit nekk ci ay endroit officiels yoo xam ne c'est des endroits assainis bu am hygiène bu am sécurité boo xam ne fa la nit ñi di yéege ñu mën a xool fan la ñu yéege ak fan la ñu wàcc parce que nag jamono moo laaj loolu aussi moo tax may demander ñi nga xam ne ñoo nekk ci autoroute

tarif yi maintenir parce que wax naa ne mesures yi yëpp warul indi benn augmentation de tarif dina am nag ay sooxe ci transport opérateurs yi ko doon am fukk boo moytul juróom ngay am euh, te loolu dinañ ko prévoir parce que def nañ benn comité de veille boo xam ne nii ñoom ñëpp ñu ngi ci biir waa AFTU ñu ngi ci biir syndicat transport ñu ngi ci biir euh, opérateur yaa ngi ci biir euh, usagers yi ñu ngi ci biir pour ñu mën a saytu perte boobu nan lay toll ci gaaru ceer yi saytu ko ci AFTU saytu ko ci taxi AIBD yi saytu ko ci lépp ba nga xam ne incha allah euh, comme président taxawal na kuréel gu mu tuddee ak fond bu mu tuddee force Covid 19. ko loolu bu ñu koy saytoo ba pare dinañ ko jox euh, ministre de l' économie jox ko ministre des finances pour ñu xool secteur bi nan lañ leen di mën a jàppale ba ñu sàmmonteeg li nga xam ne mooy tëralin yu bees yi xanaa di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan nag lii ñu taxawal ñun ñëpp ñu dugal ci suñu loxo.